la Coupe d'Afrique de mini-football, première édition Libye 2018. Euh, C'est parti du 5 au 12 mai. Vivez l'ensemble des matchs de l'équipe nationale du Sénégal de mini-football. Ça sera en direct et en exclusivité sur Dakar Actu euh, TV. Les lions de la Teranga, après un long périple pour rejoindre la capitale libyenne, se lancent à la chasse au trophée. Ambiance, séance d'entraînement, interview, portrait, image du jour, débriefing des matchs. Rien ne vous échappera de cette première Coupe d'Afrique des Nations de mini-football. Comme si vous y étiez, Dakar vous plonge au cœur de l'événement. Gaï Boulenko Kenetali Coupe d'Afrique de mini football Libye 2018 filet lay Tu